Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et... Cette rubrique est consacrée à l'art et ce qui le pratique. Ladies and gentlemen, vous êtes sur l'émission Tous Fada, une émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous nous kiffez un peu partout à travers le Niger. Pour cela, nous vous disons merci pour votre marque de confiance, merci pour votre fidélité. Tout ce qui nous kiffe aussi à l'échelle mondiale, à travers le site du studio Kalangu, ben, sachez que cette émission, c'est par des jeunes et pour des jeunes. Le slam, c'est des verbes. C'est aussi un genre musical à travers lequel un orateur s'exprime. Sur cette émission, vous le savez déjà, nous avons l'habitude de recevoir des grands noms, des artistes musiciens, peintres, cinéastes, alors aujourd'hui, nous allons recevoir un slammer de taille qui a les flots qu'il faut à la place qu'il faut. Quand il slame, tu le sens, puisqu'il a le slam dans le sang. Ladies and gentlemen, recevons sur l'émission Tous à la Fada l'artiste Las Was Nas. Analwakt Aliou Yaoumul My name is Las et je slame ma liberté comme l'indique le nom de mon quartier. To all my fans, I promise to always give my best. Parce que le Nigérien n'est pas un Générien. Elfis, à ton service sans service ni préjudice, j'ai choisi le slam pour apporter ma pierre à l'édifice. Et moi j'ai choisi l'animation pour apporter aussi ma part de contribution et tout se passe autour du thé en ce qui concerne l'émission Tout à la Fada. L'équipe est jeune, il m'accompagne, on l'appelle Seini. Et de l'autre côté, c'est Mustafa Yuba. Restez en notre compagnie, ce que du bonheur aujourd'hui. Las, was, nas. Parlons de l'artiste à l'état civil sur l'émission Tous Voilà, voilà. Hey! Hey! <laughs> Alors, à l'état civil, c'est Nassirou Lassisi Abdoulouassiou. Ok. Euh, je suis natif euh, du quartier Banizumbu Liberté. pour te dire que je suis né entre deux grands marchés, je viens du bled et j'en suis fier. <laughs> La vie au ghetto, mesdames et messieurs, le ghetto c'est aussi une école, vous le savez bien, elle n'est pas du tout du gâteau. Alors là, Swasnas, puisque tu es un combattant, on va parler un peu déjà de ta date de naissance, si tu me l'autorises, bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr, je suis né le DG 89. Ok. Situation matrimoniale pour l'instant euh, <laughs> pour l'instant, je suis célibataire. Tu es doté. à quelque part. Tu es doté. Oui, je suis doté. <laughs> La ça on va parler un peu, bien évidemment, de ton parcours sur cette émission pour que ceux qui nous kiffent à travers le Niger euh, puissent, euh, n'est-ce pas, avoir un certain nombre d'informations sur l'art. Parce que c'est ça un peu le combat que nous menons. Au lieu de venir jouer autour de thé sur l'émission, nous avons décidé en tant que jeunes de permettre aux autres jeunes de savoir qui a fait autour de thé, qui a fait, et eh bien évidemment, et euh, tout ce qui va avec euh, euh, ta musique. Euh, c'est pour cette raison, tu vois, que nous avons pensé cette rubrique. Alors là, on sait déjà d'où tu viens et qui tu es, même là où tu es né. Alors on va parler un tout petit peu, n'est-ce pas, de tes débuts. Qu'est-ce qui t'a amené dans le slam C'est important de mentionner cela sur cette émission. le sentiment d'accomplissement de, de mission m'a amené dans le slam. Ça fait longtemps. Ça, c'est long pour moi, ouais. Euh, mais bien sûr. <laughs> ok, d'accord, ok. Nous t'écoutons, ouais. Euh, comme on le dit, chaque génération a une mission. L'accomplir ou la trahir. Voilà, j'ai tenu à accomplir la mienne à travers l'islam. Tout simplement. Il s'agissait pour moi de trouver un canal d'entente euh, entre ma mère et moi. Ok, un canal d'entente entre ta mère et toi Bien sûr. C'est quoi le canal Pourquoi Au fait, ma mère voulait que je prêche l'islam. Ah, ok. Oui, Donc c'est en complicité avec Madre. Exactement. Ouais, super. Alors on va lui faire une mention spéciale. Maman, merci déjà. Rares sont les mamans qui soutiennent. Hein. Ah, vraiment, vraiment. Ouais, mais quand même, euh, on a besoin de leur bénédiction quand on fait la musique ici au Niger, ben, c'est rare, seuls les mamans qui soutiennent. Clair. Euh, des fois, on te dit que c'est haram et tout ce qui va avec. <laughs> mais aussi, on se dit aussi quelque part, c'est parce que ça nourrit pas son nom. Eh quand tu dis que tu vas faire de la musique, ils vont penser que tu n'auras pas d'avenir. C'est normal parce qu'au fait, la musique, c'est compliqué au Niger. Mais bon, c'est pas du tout ça. Euh, chère maman et cher papa, laissez-nous aller vers ce que nous voulons euh, faire. Alors, c'est important. Tu as eu la bénédiction, donc tu voulais faire plaisir à maman et tu, as, tu es rentré dans la chose à fond. Oui, en pensant à ma mère, déjà j'ai pensé à toutes les mamans du monde. Bien sûr. Parce que la meilleure éducation qu'elle m'a donnée, c'est de traiter toutes les femmes de son âge comme maman. C'est de la voir en toutes ces mamans-là. Et c'est de voir en tous ces hommes sages mon père. Waouh. Donc euh, c'est de là que ça vient. Ok. En quelle année J'ai commencé officiellement l'islam en 2012. Officiellement Qu'est-ce que tu attends par officiellement Sur la ah. scène, en single Oui sur la scène. Sinon, depuis tout petit déjà, j'écrivais et je faisais des scènes. Ok, super. Alors donc, du coup, en 2012, tu as commencé véritablement à te rendre public aux yeux donc du monde avec euh, un groupe. Avec un groupe, le groupe c'était C+. C+. C+, ça veut dire conscience plus. Conscience plus. Ouais, bah pourquoi conscience plus Vous avez. Oui, parce qu'au début on était trois, après on s'est retrouvé à deux, jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui en solo. Ok. Mais le groupe est où Où sont les autres C'est important de mentionner ça sur cette émission. Où sont les autres Je vous ai connu, oui, c'est vrai. Oui, oui. Euh, je vous ai connu à trois, ouais, c'est vrai. Ensuite deux, avec mon ami. Prudence euh, Nabil. <laughs> Ah, bah, ils sont où Ils sont Ils sont là, ils sont là. C'est juste qu'ils sont très occupés. Ok. Parce que tout comme eux, on n'a pas que l'islam à notre corps. On a d'autres choses qu'on fait et ce qu'ils font parallèlement a pris les dessus. Ok. Sûrement qu'ils reviendront un autre jour parce que l'islam est naturel en nous. L'islam est naturel en nous. Alors, parlons du slam, justement, sur cette émission, le slam au Niger. Comment est-ce que tu vois la chaise euh, Ça décolle, ça a du mal à décoller. Maintenant, il faut nous ça a du mal à décoller parce que. <laughs> Pourquoi Pour quelle raison <laughs> ah, Parce que déjà, le Niger, c'est un pays difficile pour un artiste, pour tout artiste. Ok. Pourquoi le Niger est difficile pour tout artiste ah, Parce que nous avons une population qui est un peu carrée, mhm. qui, a, qui a tellement de limites à respecter. Qui ne mange pas du porc et qui n'écoute pas la musique qui ne boit pas de l'alcool. Bon, officiellement, oui. Officiellement. <laughs> une partie aussi euh, de cette population fait autre chose que ça. Oui, oh. Autre chose, des fois aussi euh, plus dangereuse que la musique. Que, la musique. Ok, continuons ce que nous avons commencé. Donc, euh, ça, ça explique déjà la difficulté. Ok. Bon, maintenant, tout ce qui est artiste qui est là, il faut se dire que c'est un grand combat qu'il mène pour résister et pour exister. Et l'islam, quant, quant au slam, déjà, il y a un avenir radieux qui s'annonce, vu tous ces jeunes qui se lancent, même s'ils n'arrivent pas à résister, c'est difficile, mais on tient le coup. Et cet avenir, nous allons l'assurer avant même de quitter la scène. Le slam, mesdames et messieurs, au Niger, repose sur les épaules de ces jeunes. C'est ensemble que nous pouvons déplacer les montagnes, comme on dit. La Swasnas, cet instant est tout simplement solennel. T'es sûr, l'artiste s'exprime. Vous le savez, vous qui êtes en train de nous kiffer à travers, bien évidemment, le studio Kalangu, qu'à la fin, on donne la possibilité à l'artiste de placer quelques mots de fond en 30 euh, jusqu'à, si vous voulez, euh, une minute de temps d'antenne. L'instant est solennel. si tu regardes la caméra, on voudrait un mot à l'endroit de tous qui nous suivent. Parce qu'ensemble, on doit, n'est-ce pas, vous soutenir. Alors un mot à l'endroit des fans, des autorités, un mot à l'endroit de tous qui kiffent cette émission à l'heure où je parle. Machine donne la possibilité à Mr. Las Nas de s'exprimer. Là, c'est pour me joindre, pour me suivre, parce que nous faisons des publications régulières et sans vous, on n'est rien, ça c'est clair. Sur Facebook, c'est Las Parolier. YouTube, Las Parolier Niger. Et je suis plus fréquent sur ces deux réseaux pour l'instant. Sinon, il y a mon WhatsApp, il y a aussi le, on est sur Twitter, on est sur Instagram. Tout est Las Parolier Niger. Merci de vous abonner, merci de liker et merci de critiquer et insulter si vous voulez. L'essentiel pour nous, c'est qu'on avance à travers vos propos. C'était les propos de Las Was Nasir Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. On se prend Demain, plaise à Dieu. Même heure, même fréquence pour un nouveau combat. Machine, ok. <laughs>